forum le forum district kalam forum Voilà, il est 18h passé de 23 minutes. Euh, mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Anfani 100.fm. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birni Chirozérine, Mainasoroa, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour ce mercredi 28 septembre, il est question de la nouvelle fièvre hémorragique dite fièvre de la, de la vallée du Rift, où des cas ont été signalés dans les districts sanitaires de Chintabaraden et Tassara dans la région de Tawa. Cette fièvre touche principalement les animaux, mais potentiellement transmissible à l'homme. À la date d'hier, 73 cas ont été enregistrés, dont 25 décès selon les ministères en charge de la santé publique et de l'élevage. Qu'est-ce que c'est que cette fièvre hémorragique dite fièvre de la vallée du Rift Quelle est l'évolution de la situation sur le terrain Quel est l'état d'esprit des populations des zones concernées Quel comportement faut-il adopter pour y faire face Quelles sont les dispositions prises par les services compétents pour aider les populations et leur bétail Autant de questions qui méritent bien sûr des réponses. Alors pour vous trouver les réponses, nous avons invité quelques acteurs qui sont sur le terrain. Il s'agit de Dr euh, Abraham Ezine, cadre de, à la Direction générale des services vétérinaires du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage. Nous l'attendons d'une minute à l'autre et puis Dr Medaji, coordonnateur général de l'ONG BFN ben, Alima, que nous attendons également. Alors, pour vous faire une petite histoire, disons que c'est le 30 août 2016 que l'OMS à Tawa a rendu au bureau pays de l'OMS un rapport de la Direction générale régionale de la santé publique de Tawa. Ce rapport faisait état de l'enregistrement de cas de syndrome de la fièvre de la vallée du Rift euh, annoncé par l'Institut Pasteur de Dakar le 16 septembre 2016 dernier. L'Institut Pasteur déclarait que le virus de la fièvre de la vallée du Rift est en circulation dans la zone du district sanitaire de Chintabaraden, principalement chez les éleveurs. Cette maladie se transmet de l'animal à l'homme au niveau du cheptel. Il a été constaté des animaux présentant une euh, hyperthermie euh, des difficultés respiratoires, une hypersalivation, des saignements au niveau des différents orifices, des, avortements chez les petits ruminants, des mortalités chez les jeunes veaux. Il faut aussi noter que euh, le lait de certains animaux ayant avorté était strié de sang. Les entretiens avec la communauté ont permis d'identifier 363 cas d'avortement d'animaux ainsi que 370 euh, décès de jeunes animaux. Le niveau national a été alerté le 30 août 2016 de la survenue des cas de fièvre avec des complications hémorragiques et ictères chez les humains, évoluant dans la majorité des cas par des décès au niveau communautaire. Voilà, Studio Kalangou, 18h26. Je vous disais que nous avons des invités. Il s'agit notamment euh, de Dr Medaji, qui est le coordinateur général de l'ONG BFN, qui est là, qui vient d'arriver dans ce studio. Bonsoir, docteur. Vous allez vous présenter. Bonsoir. Euh, je m'appelle Dr Medaji Oumarou. Je suis le coordinateur général de l'ONG BFN. Mm. Donc, BFN, c'est bien-être de la femme et de l'enfant au Niger, qui travaille en partenariat avec euh, le ministère de la Santé et aussi avec l'ONG Alima euh, qui est donc Alliance internationale de l'action médicale, qui est une ONG française. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'être là. Donc, euh, nous disions que à la date d'hier, il y avait 73 cas qui ont été enregistrés, dont 25 décès selon les ministères en charge de la santé publique et de l'élevage, euh, chiffre donné donc par les services compétents. Alors, qu'est-ce que vous, vous en savez de cette situation sur le terrain, puisque vous intervenez sur le terrain, docteur Oui, nous, ce qu'il faut dire, c'est que euh, par rapport à cette épidémie, effectivement, du premier abord, quand on a constaté les premiers signes chez les premiers malades, donc on a alerté les autorités compétentes sanitaires euh, du district, donc à savoir les, MCD, les, districts sanitaires de Tintabradien, qui a aussitôt aussi alerté la région donc, et aussi euh, le niveau central suite à cette interpellation, effectivement, il y a eu des missions d'évaluation et d'investigation sur le terrain. Donc ces missions ont permis d'effectuer justement des prélèvements chez les humains et ces prélèvements ont été confirmés à l'Institut Pasteur de Dakar. Voilà un peu ce qu'on que, sait au début. Mais il faut aussi notifier que eh, suite à la montée des de cas, nous, on a appuyé le district sanitaire de Tintaprada en, en mettant sur pied une unité d'isolement d'une capacité de 30 lits qui, à la date d'hier, a enregistré, euh, comptabilisé du moins 17 cas hospitalisés. Ça, c'est chez les êtres humains. Oui. Ah, et pour ce qui est des animaux, puisque c'est les principaux concernés aussi. Oui, il faut dire que le volet animal, c'est un volet qui aussi devrait être normalement pris en charge par les autorités compétentes. Nous, à notre niveau, vu qu'on est une ONG médicale, donc une ONG nationale médical donc euh, euh, partie, qui fait partie intégrante de la société civile nigérienne. Euh, pour ce qui nous concerne, en tout cas, notre rôle, c'était d'abord d'alerter, en plus, et puis de, prendre en charge les cas. Mm. Donc les mm. jeunes qui sont, qui sont, qui sont malheureusement affectés par cette maladie. Mm, mais vous n'avez pas beaucoup d'informations sur... le côté bétail Le côté bétail, on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois sur le terrain, vous constatez de vous-même les nombres, les dégâts qui sont, qui sont enregistrés, parce que très facilement on arrive à constater du ah, caractère. Tout à fait. Et, quel, quel, l'état d'esprit de ces, de ces éleveurs euh, et puis des populations elles-mêmes Je pense qu'il faut dire à ce niveau que effectivement la population est assez consciente de la, de la situation parce qu'il y a eu des missions euh, d'investigation, comme je l'ai dit, aussi des missions de sensibilisation par rapport à cette épidémie. Et donc, du coup, euh, à ce jour, en tout cas, euh, les éleveurs sont conscients et sont en train d'être sensibilisés par rapport à cette épidémie. vous êtes surpris, vous, Mélissa, de cette situation On est surpris. parce que... hémorragique, on n'a jamais vu pareil au Niger. On est surpris parce que c'est, on va dire, c'est, une maladie qui est quand même apparue nouvellement au Niger. On va dire, il y a eu effectivement des cas dans les années passées, mais il faut dire qu'en tout cas, avec une ampleur d'épidémie ou aussi, comme euh, les, spécialistes de la santé animale disent, c'est la première fois au Niger. Et donc, euh, on, est surpris d'abord parce que euh, au premier signe, en tout cas les malades qui venaient, qui venaient à l'hôpital étaient des malades qui présentaient des signes hémorragiques, donc euh, en phase de complication de la maladie. C'est le sang qui coule, hémorragique Hémorragique, ça veut dire des symptômes, genre les nez qui coulent, genre des échymoses, ce sont des plaques euh, qui témoignent des troubles de la coagulabilité sanguine au niveau des peaux. Ce sont des, grosses taches qu'on observe particulièrement chez le peau clair. On sait que la région du de, Chinta, quand même, c'est des Peuls, c'est des, Arabes, c'est des Touaregs. Donc, ce sont des personnes à peau claire. Il est facilement euh, détectable, en tout cas, des plaques qui apparaissent sur la peau et qui, témoignent effectivement d'un trouble de la coagulabilité sanguine. La fièvre hémorragique, c'est une maladie très dangereuse. Hein effectivement. Comment, comment vous intervenez en faveur de ces populations, vous concernant vous Nous, pour ce qui nous, pour qui nous concerne, donc, euh, la prise en, on, intervient sur euh, les aspects suivants. D'abord, on a initié, comme je l'ai dit, on a mis sur pied les centres de prise en charge en collaboration avec les districts sanitaires de, de Après, on a mis une équipe euh, mobile qui fait la recherche active des cas, donc dans les, périphéries, on va dire, des, du district sanitaire de, de et on a mis sur le pied un volet de sensibilisation. Donc à l'endroit de la population, particulièrement les éleveurs, les bouchers, parce que c'est eux qui manipulent la viande. D'accord. Donc on va observer une petite pause pour revenir sur ces mesures euh, prises par le gouvernement et ce que vous, vous faites sur le terrain. Alors, je vous disais hier, le, ministère en charge de la santé et celui en charge de l'élevage ont animé un point de presse pour faire la situation euh, de cette fièvre hémorragique, dite fièvre de la vallée du Rift. Et il ressort qu'il y a eu, euh, à la date d'hier, 73 cas, dont 25 euh, décès. Je vous propose de suivre le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Cette prise en charge a consisté à un appui à médicaments pour le traitement symptomatique, le renforcement des capacités des agents et tout ceci soutenu par une campagne de communication pour un changement de comportement. Il faut toutefois souligner que relativement à cette maladie, il n'existe pas de vaccin pour les humains. par contre, un vaccin existe pour les animaux, mais la vaccination est déconseillée en cas d'épizootie au risque d'aggraver la situation. Voilà, donc euh, là, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, hier, faisant le, bilan, le bilan de cette euh, fièvre hémorragique euh, au Niger. Docteur, vous venez de suivre l'autorité compétente. Alors, c'est une maladie dangereuse, il n'y a même pas de vaccin pour cette maladie, c'est difficile de la, de, la prendre en charge. On va, dire qu'effectivement, comme l'a dit le secrétaire général du ministère de la, Santé publique, quand même le, l'autorité compétente, comme vous, venez de le dire, effectivement, il n'existe pas de vaccin pour les humains. Par contre, euh, il existe des vaccins pour les, pour les bétails, mais il faut noter que euh, la vaccination pour les bétails, elle n'est pas sujetée parce qu'il euh, il y a un risque potentiel d'aggravation de l'épidémie. Et donc, ça reste à, dire qu'effectivement, c'est une, une, maladie pour laquelle il va falloir vraiment faire des campagnes de sensibilisation pour ne pas que les humains, en tout cas, la population se contamine. Bien sûr que quand il y a une prise en charge qui est faite et qui est de qualité, on a bien vu qu'il y a une, réduction du taux de mortalité avec la prise en charge qui est mise sur pied au niveau du district euh, de Tintagordia. Hmm. Alors, est-ce que les moyens sont là pour euh, traiter, pour prendre en charge ceux qui sont, les, ceux qui sont à l'hôpital Oui, euh, on peut dire qu'effectivement, il existe, les des moyens ont été mis à la disposition du district sanitaire de, de pour faire face à cette épidémie, en tout cas par rapport au volet prise en charge de la santé humaine. Donc à ce niveau, euh, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude parce que la prise en charge, elle continue, elle est efficace, elle est gratuite. Mhm. Et les agents sont déployés sur, les sites pour faire la recherche active des cas. Mhm. Donc à ce niveau, effectivement, il n'y a, a, pas de souci. Le seul souci qu'on peut notifier, c'est qu'effectivement, avec les phénomènes de euh, euh, la fête nationale de la crue salée, qui est quand même un facteur euh, de potentialisation de l'épidémie, on risque d'avoir des cas qui vont continuer à venir au niveau des centres de santé. Ah, et mais est-ce que la, prise en charge est satisfaisante hein, Ça, vous, l'affirmez Ça, je l'affirme. Dès que vous venez, vous êtes prise en charge Dès que le malade est identifié, dès qu'il accepte de venir au centre de santé, la prise en charge, elle est là, elle est disponible, elle est, elle est gratuite, elle est efficace. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites à côté du ministère de, de, de, de e, enfin, du ministère de la Santé, ou bien à côté des districts sanitaires Nous, euh, comme je l'ai dit, nous sommes une ONG nationale euh, médicale, donc euh, membre actif de la société civile nigérienne. Nous appuyons le district sanitaire de Tchintabradin à faire face à cette épidémie. Donc cet appui va dans le sens de la mise à disposition donc, du district sanitaire de Tchintabradin des médicaments, des ressources humaines, des réhabilitations euh, d'un centre d'isolement, donc d'un centre de prise en charge. Effectivement, c'est un travail qu'on fait en, collaboration vraiment étroite avec les, les districts sanitaires de Tintabradien. Et c'est dans ce sens qu'on on salue vraiment le, on va dire l'engagement des autorités sanitaires, du, district sanitaire à, pouvoir vraiment euh, éradiquer cette maladie. Mais comme c'est une nouvelle maladie, c'est pas facile de, la prendre en charge. Déjà, tous les moyens sont là. Et vous avez l'appui, au-delà du gouvernement, il y a l'appui de qui euh, Il faut dire que nous, on est, comme je l'ai dit, on est une ONG nationale qui est un partenaire avec une ONG française à Lima qui bénéficie effectivement du de, de soutien des barrières de fonds. Donc cette prise en charge, elle, a été permise, elle a été possible grâce au soutien financier que nos, partenaires financiers nous accordent. Merci beaucoup, docteur Medaj, pour ces précisions sur euh, la prise en charge euh, de la fièvre de la vallée du Rift dans les districts sanitaires de Chintabaraden et Tassara, où vous, euh, vous, intervenez à côté des services compétents. Nous enregistrons la venue du docteur Ezen Abraham, cadre de la, à la direction générale des services vétérinaires au ministère de, en charge de l'élevage. C'est cela, non Oui, c'est bien ça. Vous allez vous <laughs> représenter que nos auditeurs comprennent davantage. Oui, merci bien, je vous remercie. Donc, je suis docteur Ezin Abraham. Je suis au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et précisément à la Direction générale des services vétérinaires. Oui. Alors, hier, vous avez donné le bilan, euh, de la, vous avez fait la situation en relation avec le ministère de la Santé et il ressort qu'il y a 73 cas qui ont été enregistrés, dont 25 décès. Actuellement, docteur, quelle est la situation sur le terrain à Tassara et à Tintabarade. je vous remercie. Je suis venu en retard, veuillez bien m'excuser. Mais n'empêche, tout au long de mon parcours, je vous suivais quand même à la radio. Et j'ai suivi que vous avez pratiquement fait la genèse de la maladie. Et vous avez fait allusion également au point de presse que nous avons fait hier. Donc, euh, en ce qui nous concerne au niveau de l'élevage, effectivement, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et il faut dire que c'est une maladie, comme on l'appelle la maladie, de, la fièvre de la vallée du Rift. C'est une zoonose donc qui touche également les animaux et les humains. Et la transmission se fait par, elle est vectorielle par un moustique. Et c'est comme ça aujourd'hui avec euh, toutes les conditions qui sont remplies d'inondations mm. et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, l'écosystème est prêt pour ce genre de maladie. Mais nous devons dire quand même, malgré tout, que c'est une première que nous voyons cette maladie apparaître. Ce qui fait que effectivement, euh, elle n'était pas dans notre programme de surveillance, mais dès lors qu'elle est installée aujourd'hui, on la suit de, on la suit de près. D'accord. Je voudrais vous dire que relativement à cette maladie, en ce qui concerne les animaux, elle touche pratiquement les ruminants, à savoir les moutons, les caprins, les dromadaires, les bovins. Mais cette maladie touche beaucoup plus les jeunes, les jeunes animaux les jeunes animaux sont beaucoup plus sensibles, à savoir les agneaux et puis les, tout ce qui s'ensuit, les camélins, les petits, les camélidés. En ce qui concerne les adultes, on assiste beaucoup plus à des avortements chez les femelles gestantes. Donc c'est beaucoup plus les avortements en ce qui concerne les adultes. Mais pour ce qui est des, petits ruminants, pour ceux qui est des petits, là, c'est là où la mortalité est élevée. Et, quelle est la situation que vous avez Bon, présentement, je ne saurais vous donner la situation exacte. Je ne saurais vous donner la situation exacte. Nous sommes en train de recueillir les informations progressivement. Oui, On pourrait vous donner un chiffre mais, pour ne pas me hasarder à donner. D'accord, mais vous avez donné le bilan humain quand même. Oui, les bilans humains, comme vous l'avez vu, nous étions en, concertation avec le ministère de la, Santé publique. Oui. Donc c'est le ministère de la Santé publique qui a donné les résultats en ce qui concerne le, volet humain. Oui, mais vous, vous êtes sur le terrain aussi, service nous, de l'élevage. Oui, nous, sommes effectivement sur le terrain aussi. Bon, donc euh, c'est une maladie qui touche les régions de Chittabraden et Tassara donc les départements de et de Tissara. Oui, justement, comment ces populations, ces éleveurs vivent la situation quel est leur état d'esprit eh ben, Comme vous savez, il y a eu tout, tout récemment la cure salée, n'est-ce pas Et déjà au, mois de la cure salée, nous avons fait passer des informations, des messages. Vous avez pu constater que dans le point de presse que nous avons fait hier, il y a des mesures qui, sont, qui doivent être prises pour éviter la maladie, notamment ne pas s'approcher trop, ne pas manipuler enterrer les cadavres, ne pas manger la viande et tout ce qui s'ensuit. On va revenir sur ces mesures-là. Juste le temps de dire euh, la situation actuellement, comment elle se présente. Qu'est-ce que vous, vous avez comme données ben, Ce que nous avons comme données, vous savez, euh, les derniers résultats que nous avons pu envoyer, je vous ai entendu dire que c'est le laboratoire, n'est-ce pas, Pasteur de, Dakar qui a confirmé la maladie. Effectivement, c'était sur la base des prélèvements qui ont été faits sur les animaux et puis relativement aux humains. Donc ce sont ces prélèvements-là qui ont été envoyés. Mais comme je vous dis, je ne saurais vous donner des chiffres vraiment. Oui, mais on, sent quand même qu'il y a une, euh, euh, vraiment euh, un engouement, ou du moins il y a une prise en charge correcte pour les êtres humains. Oui. Mais pour ce qui est des animaux, apparemment... Non, non, non. Même pour ce qui est des animaux, il y a une prise en charge. Même pour ce qui est des animaux, il y a une prise en charge. Comme vous savez, c'est une maladie virale et c'est beaucoup plus les traitements symptomatiques. C'est beaucoup, beaucoup plus, la, la prévention non, les, traitements symptomatiques, c'est une maladie virale et vous avez, je vous ai très bien entendu dans le communiqué, dire qu'il n'y a pas de vaccin en ce qui concerne les humains. Mais par contre, pour ce qui est des animaux, le vaccin existe. Mais quand déjà l'épizootie est déclarée, on ne peut pas se servir des vaccins. Parce que là, c'est à la limite, c'est pour aggraver. Ce qui fait que aujourd'hui, les mesures qui sont prises, c'est notamment au niveau des régions d'Agadez et de pour contrer la situation pour, contenir la situation. Notamment, le premier acte, c'est de prendre. Euh, c'est de faire euh, une déclaration, prendre un arrêté, n'est-ce pas, qui déclare ces départements de Tintabaraden et de Tassara comme des endroits où sévit la fièvre de la vallée d'Irft. Et à ce titre, dès lors que ça, c'est le gouverneur qui prend ses décisions, qui prend l'arrêté, dès lors que le gouverneur prend l'arrêté, cet arrêté va dans le sens où il faut diminuer la mobilité de ces endroits vers les autres euh, régions et des autres régions vers les endroits qui sont infestés. L'arrêté est déjà prise. L'arrêté, à ce que je sache, est en train d'être pris. Mais déjà, au niveau de la cure salée, nous avons fait passer le message pour aller dans ce sens. Donc euh, concrètement, voilà ce qui... Vous contrôlez la situation La situation est en train d'être contrôlée. Aussi bien à Tassara que... Aussi bien à Tassara qu'à D'accord. C'est le même traitement symptomatique puisque la maladie, comme on l'a dit, elle est, elle est virale. Et dès lors qu'elle est déclarée, on ne peut pas se servir de la vaccination dans les endroits précis. Mais il s'agit beaucoup plus de traiter les symptômes. D'accord. Mais quand on parle de 25 décès pour les êtres humains, pour les animaux, ça doit être euh, ahurissant. Non, pas, pas, pas, autant. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus les... Chez, les, chez les adultes, c'est les avortements que nous constatons, mais chez les, chez les petits animaux, c'est là où c'est la, mortalité. On va, on, va on va suivre un peu, euh, on, va, observer une petite pause. Après, nous allons écouter le secrétaire général du ministère de la Santé publique euh, dans une de ses interventions. Voilà, suivons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé publique hier dans son point de presse. Nous exhortons la population au respect des mesures suivantes. Limiter les déplacements des animaux des zones infestées vers les zones non infestées et vice-versa. Faire bouillir le lait avant consommation. Éviter le contact direct avec les animaux malades. Enfouir avec précaution les cadavres d'animaux morts. Recourir aux formations sanitaires dès l'apparition des premiers signes pour bénéficier de traitements adéquats. Voilà le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Docteur Medagi. vous venez de suivre euh, les, conseils euh, de l'autorité compétente. Vous, vous êtes médecin en la matière. Qu'est-ce que vous ajoutez Qu'est-ce qu'il faut réellement pour prévenir les cas humains, par exemple euh, disons qu'il n'y euh, a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que monsieur le secrétaire général de la santé, du ministère de la santé du vient de dire. Mais effectivement, dans le sens de la, on va dire de, la protection des humains, ce qui est important euh, à souligner, c'est effectivement cette population qui est à risque. parce qu'il va falloir distinguer les populations qui sont vraiment à risque, à savoir la catégorie professionnelle, enfin la catégorie de des métiers qui existent au niveau de, autour du, bétail. À savoir, euh, pour nous, ceux qui sont les plus à risque, c'est effectivement ceux-là qui sont en contact direct avec le bétail infesté. Euh, a priori, les, les bouchers qui manipulent la bienne d'un animal infesté, parce qu'on sait que les éleveurs, quand un animal est malade, ils l'abattent hein, pour, pour, pour, soit pour vendre la viande, soit pour le manger. Et donc, du coup, cette population, c'est une population vraiment qui a risque. il va falloir effectivement intensifier les activités de sensibilisation à l'endroit de cette population cible pour qu'effectivement, à l'apparition des premiers symptômes, qui se rendent en tout cas euh, au niveau des centres de santé les plus proches. Hmm. Parce que, comme je l'ai dit, une prise en charge existe, elle est de qualité, elle est efficace, elle est disponible, elle est gratuite. Donc, une fois que les premiers signes ont été identifiés, ont été constatés chez un malade, euh, si vraiment le malade a, aussitôt fréquenté le centre de santé, il a beaucoup de chances de s'en sortir. Hmm. Qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit faire Rappelez-nous ce que le malade, doit, le malade ou l'accompagnant doit faire en termes de prévention ou du moins en termes de, euh, de, traitement de premiers symptômes. Disons que dès qu'on est infesté avec l'apparition des premiers signes, euh, je pense que ce qui est important, euh, ce n'est pas de rester à la maison pour essayer de traiter la maladie. Ce qui est important, c'est quand on constate les premiers symptômes de cette maladie, et comme je l'ai dit, il faut fréquenter les centre de santé. Et euh, au niveau de ce centre de santé, effectivement, si une formation a été faite à l'endroit des agents de santé, ils doivent facilement identifier euh, cette maladie et procéder à la prise en charge. Et il faut rappeler aussi que la prise en charge, même chez les humains, reste symptomatique, c'est-à-dire que c'est en fonction des signes que le malade présente qu'une prise en charge est orientée. Donc, euh, ce qui est important, en tout cas, il faut vraiment fréquenter le centre de santé aussitôt. Oui. Ah, pour des zones où il n'y a pas de centre de santé, ça, doit être difficile. Est-ce que les mesures ont été prises Est-ce que les agents de santé sont au contact avec, en relation avec les populations les plus éloignées Tout à fait. Nous, ce qu'on est en train d'initier avec le avec les districts de Tintavradin et donc de Tessara et de Tila, c'est de mettre en place une équipe euh, de recherche active. Cette, cette équipe est composée des infirmiers, des médecins, des agents sensibilisateurs. Donc une fois que cette équipe arrive dans, la, dans une localité donnée, ils vont procéder à la sensibilisation et aussi ils vont faire de porte à porte pour dénicher, on va dire, les cas. Donc une fois qu'ils qu tombent sur euh, un malade qui présente les symptômes de cette fièvre hémorragique, effectivement, ils vont essayer de convaincre le malade pour que le malade accepte de se faire euh, transférer au niveau des centres de prise en charge. Et nous pensons qu'avec cette dynamique-là, on pourra en tout cas à arriver à un moment donné à, on va dire, à, à, à, ratifier toute la zone qui est infestée, en tout cas en termes de santé humaine. Les, moyens sont là pour ça Les moyens sont, disponibles pour ça. Euh, docteur euh, euh docteur Ezin. pour ce qui est des animaux, quels sont les qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord en termes de prévention et puis sur le terrain, comment vous êtes en contact avec les éleveurs c'est important. Oui, merci. Euh, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, en ce qui concerne les animaux, il s'agit d'abord, dans un premier temps, de chercher vraiment à diminuer la mobilité de ces animaux des territoires qui sont aujourd'hui déclarés infectés. Et de l'autre côté, éviter également que les animaux des régions indemnes viennent vers euh, les régions suspectées. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est vraiment que tous ceux qui sont en contact, n'est-ce pas, les éleveurs, comme le boucher, comme l'a dit tantôt mon, collègue, c'est de limiter au maximum la manipulation des animaux atteints et enfouir les cadavres. Donc pour éviter vraiment le, contact. De l'autre côté, on a tendance souvent à oublier les moustiques sont quand même vecteurs aussi de cette maladie. Et à ce titre, il faudrait que les gens se protègent avec les moustiquaires pour éviter les piqûres de ces, de, ces insectes. Donc euh, voilà grosso modo ce que je pourrais vous dire relativement à, à, la maladie. En ce qui concerne la prise en charge, elle est symptomatique. Donc il s'agit tous les symptômes, les hémorragies, les gastro-entérites hémorragiques, c'est ça qu'il faut soigner tous les signes extérieurs, la salivation, les l'hypersalivation, l'alarmement. Donc, c'est des traitements symptomatiques que nous faisons. Mhm. Donc, il s'agit de pallier à tous symptômes qui se présentent. Et vous êtes avec tous les éleveurs. C'est difficile, hein, de, c'est des éleveurs, c'est pas des sédentaires. Comment vous faites pour être près de tous ces gens-là qui sont concernés par la situation Oui, nous avons nos équipes mobiles qui sont sur place parce que vous savez, comme je vous ai dit tantôt, nous sortons d'une euh, cure salée et pendant la période de cure salée, il y a des équipes mobiles de vaccination qui sont sur le terrain, qui, qui ne vaccinent pas contre la maladie de la vallée du mais qui vaccinent contre les autres maladies telluriques. Donc, et on profite justement de ces, de ces équipes mobiles-là pour sensibiliser par rapport à cette nouvelle maladie qui aujourd'hui apparaît. Elles sont suffisantes Elles sont suffisantes et je pense qu'elles peuvent être euh, appuyées toujours. On n'a jamais on en a toujours besoin. Est-ce qu'on peut estimer que d'ici peu, on peut faire face à la situation et puis on n'en parle plus Il n'y a pas de problème par rapport à ces aspects-là. Pourquoi Comment, Pourquoi vous dites ça J'ai dit qu'il n'y a pas de problème parce que nous n'en sommes pas à une première épisode Nous avons connu d'autres épisodes qui ont été maîtrisés. Donc il n'y a pas de raison à ce que celle-ci ne soit pas maîtrisée. Mais le fait que ce soit euh, l'information vienne d'ailleurs et non de vos services, est-ce que ce n'est pas quelque part un problème de moyens qui fait cela non, l'information, comment vous savez que On parlait tout à l'heure de l'Institut Pasteur. Oui, l'Institut Pasteur, en fait, c'est quoi c'est nous-mêmes qui avons envoyé les prélèvements au niveau de l'Institut Pasteur. Parce que nous ne disposons pas ici, des, si vous voulez, des, laboratoires qui peuvent confirmer la maladie. Le laboratoire Pasteur n'a fait que confirmer une maladie. Nous, nous partons sur la base de suspicion. Et c'est l'Institut Pasteur qui nous a confirmé qu'effectivement, il s'agit de la maladie de la, fièvre de la vallée du Rift. Alors, on va revenir sur le dernier aspect pour vraiment euh, essayer de définir ce que c'est que cette fièvre de la vallée du Rift. Docteur, euh, côté humain, qu'est-ce qu'il faut retenir Comment doit-on comprendre la fièvre de la vallée du Rift pour l'être humain Ok. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est qu'effectivement, comme, euh, comme l'a dit mon collègue des services vétérinaires, c'est une, une, euh, une Donc c'est une maladie animale qui, se transmet de, qui peut se transmettre à l'homme. Ce qui est important de, de comprendre dans cette situation, c'est que... Euh, la, transmission, ça se fait comment La transmission se fait en, en, manipulant la viande d'un animal infesté ou en utilisant les produits laitiers d'un animal infesté principalement l'homme, il se contamine à travers cette voie. Ça veut dire que si vous, si vous mangez la viande de, ou bien vous, vous, buvez le lait Tout à fait. Vous, buvez le lait d'un animal malade. On, on, sait que dans les symptômes qui présentent le, le bêta, effectivement, un, animal infesté, il présente des striations de sang dans le lait. Donc ce lait, effectivement, s'il n'a pas été bouilli, n'a pas été pasteurisé et que euh, l'être humain le consomme, il va se faire infester c'est le premier mode de contamination. eux aussi, il faut notifier en tout cas que, comme je le disais tantôt, la contamination via la manipulation de la viande ou des produits laitiers issus d'un animal infesté. Première chose. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie se développe chez un, humain avec en phase. Il y a des phases qui sont plus ou moins asymptomatiques, donc qui ne présentent pas beaucoup de signes francs, qui peuvent être euh, similaires à un syndrome grippal ou un syndrome, un simple. Et il y a aussi des phases de complications. Donc, le plus souvent, euh, malheureusement, les, les, malades nous arrivent en phase de complications. Pendant cette phase de complications, c'est pendant cette phase de complications qu'on a des symptômes, des signes hémorragiques, à savoir les nez qui coulent, à savoir les grosses taches, euh, comme je l'ai dit, au niveau, au niveau de, de, la peau, et bien d'autres signes euh, d'encéphalopathie. Donc un malade qui peut arriver dans un, dans un stade de coma. Ça, malheureusement, c'est un stade tardif de la maladie. La difficulté euh, réside dans l'identification euh, de cette maladie au stade euh, du début, on va dire. Parce que au stade du début, le malade présente des symptômes qui sont similaires à un syndrome grippal, qui sont similaires à un palud simple. Donc il va falloir remonter. Donc, dès ces premiers signes, qu'est-ce qu'il faut faire Dès ces premiers signes, normalement, il faut étayer le diagnostic clinique du, malade, c'est-à-dire poser suffisamment de questions au malade euh, en, termes euh, est-ce qu'il a été en contact avec un animal Est-ce qu'il a eu à manipuler la viande d'un animal qui est malade Ainsi de suite. Est-ce qu'il a eu à consommer un lait Donc, nécessairement faire face à, un agent de santé. Tout à fait. Euh, est-ce que le premier secours peut être, peut, être mené par les populations elles-mêmes oui, c'est difficile. on va dire, que ça va être un peu compliqué de laisser la population gérer elle-même cette maladie parce qu'avant euh, tout, il faut reconnaître que c'est une maladie qui, en tout cas, qui est plus ou moins nouvelle chez nous. Donc, en tout cas, beaucoup d'agents de santé n'ont pas la connaissance. Et même les agents vétérinaires, et mon collègue du, service des vétérinaires vient de le dire, c'est une maladie à laquelle ils ne se sont pas suffisamment préparés. Et donc, il va de soi qu'effectivement, cette prise en charge soit beaucoup mieux calibrée, au fait, au risque de laisser la population vouloir gérer euh, à leur niveau les, la maladie. D'accord. Docteur, euh, euh, docteur quel conseil aux éleveurs face à la maladie de, à la fièvre de la vallée du Rift Merci. Donc, les conseils sont les mêmes, hein, comme l'a stipulé mon, mon, collègue du docteur Medaji. C'est d'éviter vraiment le contact avec les animaux malade. Ne pas manger cette viande, faire bouillir le lait avant de le, avant de le prendre. Mm, pour le cas des animaux pour le, Oui, pour le cas des animaux, il faut dire que. Ah, ok, pour le cas des animaux. Oui, absolument. D'accord. Donc, pour le cas des animaux, euh, ce que nous faisons, c'est que c'est comme je vous ai dit, c'est un traitement asymptomatique. C'est une maladie qui touche beaucoup plus les, les petits animaux, les agneaux et les chevreaux. En ce qui concerne les adultes, nous avons plus des avortements chez les femelles gestantes. Quels sont les premiers gestes pour un éleveur face à la fièvre Les premiers gestes d'un éleveur, c'est de contacter les services compétents. Dès qu'il, est en face d'un animal qui, qui, présente des signes, les éleveurs savent que leurs animaux sont malades. La moindre suspicion, c'est de contacter nos services qui sont sur le terrain. Et un dernier mot, quelle assurance vous donnez euh, à ces populations qui, quand même qui sont très inquiètes. bon, il faudrait qu'ils se calment, n'est-ce pas Certes, la maladie est nouvelle, mais nous avons connu des maladies qui sont encore plus désastreuses que celle-là, en l'occurrence la peste des petits ruminants. Donc, euh, c'est de les appeler au calme et de suivre nos consignes qui consistent à nous informer à la moindre suspicion. D'accord. Docteur, pour terminer quelle est l'assurance qu'il faut donner aux populations euh, Il y a quand même des malades qui sont dans les services de santé. Euh, la fièvre n'est pas totalement finie. Comment assurer ces populations L'assurance qu'on peut donner à la population, c'est qu'effectivement, c'est, euh, il faut dire, on a, on, a, on a enregistré effectivement des cas, mais avec la prise en charge, on a vu que la mortalité spécifique par rapport à cette maladie a baissé. Donc, le premier, le premier signe, enfin, le premier euh, aspect de l'assurance est qu'effectivement, il y a une prise en charge qui est efficace. Donc euh, ça se soigne. Euh, il ne faut pas paniquer de mon point de vue, étant donné qu'il y a une prise en charge qui, qui est efficace et qui est disponible. Une fois que le malade s'est présenté à temps, il faut le dire à temps, il s'est présenté à temps au niveau des services compétents, donc au niveau des services de santé, et que ces agents des services de santé ont été formés par rapport à cette nouvelle maladie, avec tous les signes et que ça comporte, sachant bien que je l'ai dit en phase de débit, ça peut simuler un syndrome grippal, donc facilement, euh, ça peut facilement échapper, en tout cas, au, diagnostic posé par euh, des agents de santé. Je pense qu'une fois que cela a été balisé avec euh, un bon diagnostic clinique, un bon interrogateur clinique, et que le malade a été référé au niveau de santé santé, les soucis se posent de moins en moins. Parce que le taux de mortalité, en tout cas, avec une prise en charge efficace, on voit qu'il est en train de réduire. D'accord, merci beaucoup. Je veux vous remercier pour ce temps que vous nous avez consacré. Docteur Abraham Ezin, cadre à la direction générale des services vétérinaires, au ministère de l'Élevage. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Medagi, coordinateur général de l'ONG BFN. Nous avons un peu survolé euh, cette histoire d'épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Voilà, nous sommes à la fin de, ce forum d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à la même heure, aux mêmes fréquences, avec une autre thématique. Merci beaucoup.